auditeurs et auditrices, merci d'être au rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou de ce 4 juin 2024. Je suis Salamot Kadri avec moi Rabia Maïkano pour la présentation. Bonjour Rabi. Bonjour Salamotou, comment vas-tu Je vais bien, merci. Alors on fait un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio à la technique, c'est Moustapha Ayouba et Adam Adawaki à l'édition. On vient avec quoi pour nos fidèles auditeurs ce matin Un choix multiple de ce sujet est retenu pour le plus beau plaisir de nos auditrices et auditeurs. En musique, nous allons remonter le temps pour rendre hommage à quelques grandes dames de la musique traditionnelle nigérienne. Il y aura aussi du lotier avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et sans oublier le flash. Dans la partie entretien, nous suivrons le parcours de Idrissa Mamantawaye, jeune entrepreneur natif de Matamai, région de Zender. du studio Kanangou, nous commençons avec le flash d'information. Il nous est présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rabia Mekano. Bonjour Salamatou Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent à travers un communiqué publié hier par la représentation américaine au Niger, les États-Unis vont injecter près de 176 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour l'Afrique de l'Ouest par l'intermédiaire de l'USAID. Cette aide à destination des régions du Sahel et du bassin du lac Tchad en Afrique de l'Ouest intervient en réponse à la détérioration des conditions de sécurité et à l'augmentation des besoins humanitaires dans les communautés confrontées à des besoins humanitaires colossaux en raison des conflits, de l'insécurité alimentaire et des déplacements. À la tête d'une importante délégation, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général Lunus Lounusbek, vient de séjourner à Niamey ce week-end dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération entre le Niger et la Russie. Lors de cette visite, la seconde du Jour après celle de décembre dernier, la délégation russe a eu des entretiens avec le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani avant de participer à une réunion de haut niveau avec le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen et plusieurs membres du CNSP et du gouvernement de transition au menu des échanges la relance de la coopération dans plusieurs domaines comme la défense, la lutte contre la cybercriminalité, les télécommunications, mais aussi dans le domaine du pétrole, des mines et de l'énergie à l'appel des deux plus puissantes euh, centrales euh, syndicales euh, du pays. Une grève générale illimitée paralyse le Nigeria depuis hier afin de soutenir les revendications sociales des travailleurs suite à l'échec des négociations avec le gouvernement fédéral. Les activités économiques sont presque à l'arrêt dans les principales villes du pays et sur le secteur de l'énergie qui est particulièrement touché avec la fourniture d'électricité qui est suspendue par les grévistes. C'est le premier mouvement social d'envergure qu'affronte le président Ahmed Bola Tounoubou arrivé au pouvoir il y a juste un an. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 4 juin 2024. Merci, Chers auditeurs de la partie entretien du jour, nous recevons, Idriss Mamantawaye, jeune entrepreneur natif de Matamay, région de Zander. Mais avant, allons pour notre première note musicale. Écoutons ensemble Sibo de Bouli Kakasi. Bouli Doudi Bouli Kakasi est née en 1936 à Kakasi Tera. Elle est considérée comme une chanteuse et transition entre les airs traditionnels dont elle a gardé les mélodies et la musique dite moderne. Elle débute sa carrière en 1963 avec la chanson Tolok et Kirgi Kirutu. La cantatrice Bouli a acquis la notoriété avec sa chanson Sibo que l'on écoute en ce moment, qui dénonce les errements de la colonisation. Dans ce son, elle décrit les exploits de Cibo, cet homme qui a tenu face euh, aux colons et à ses coups de fouet. de la grande cantatrice Bouli Kakassi. Suivons à présent la première partie de notre entretien avec Idrissa Mamantawaye, jeune entrepreneur natif de Matamei. Il est âgé de 28 ans. Idrissa est un professeur d'éducation physique, mais après son service civique, il s'est lancé dans des activités lucratives, à savoir le taxi-moto, etc. Il parle de ses débuts. On l'écoute au micro de Haboussar Kisale. Bala Idrisa mun ga becin mushen tsalle-tsalle da kake ko mu ce na APS kana sana'o'i daban-daban ko kana iya gaya mana irin kala sana'o'in da kake yi. ni sana'o'i na anti sana'a goma maganin mai gasa ne duk da ina harkar prof uh, education physics sportif ina yin shi ina yin abin da shahi kabu-kabu ina sai da isansa uh, ina da tebur haka to uh, malam idrisa a cikin sana'o'in naka wace ce ka ba karfi kuma wato me yasa ma ka zaɓe ta to sana'ar da na ba karfi a yanzu dai sana'a ta abin da shahi lisans ita nake yi kuma da tebur ita na ba karfi a yanzu tunda mai waccan har yanzu bata samu bakwa tunda deja na yi service civic na kare da hausa abin da ake nihi bauta ƙasa tunda na yi na kare kenan ina jiran aiki kuma ina fatan Allah ubangi ya sanya mu dace me yasa ma ka ba su karhi su wannan eh, kabu kabu da sai da isan sukin to abin da yasa na ba su karhi saboda dan dalilin ina neman abin da zan yi ruha ma kaina asiri ya shahi gare ga haraka an sanya ma abin da na karanta ba samu ba hal yanzu kenan dole in yi sana'a kenan da Allah zan samu biyan bukata Malam Idrisa wani irin fasali ko kuma tsari kai domin ka ga wato ka bunƙasa don ɗan ƙanƙanar lokaci kuma da ɗan dogon lokaci haka. Ina da fasalin daban-daban wanda na ma rayuwata. In na dogara a wuri guda kenan dalilin ba zan samu biyan bukata ba kamar yadda nake so ba. Ina sai da maina ina kabu-kabu ina haraka ansanyaman prive haka ina yi. A nan mata mai kake kaman koya prive kin? A'a ba nan mata mai nake prive ba daga nan ma na vet ma ne nake yi. ina tafiya abin da kama har take ta shi abin da sanya nake yi wancan ba wai dan dalilin riba ba a dan dalilin nayi dan kar in mance abin da nayi kwa saboda ina yi dai nemi wanda dai ka ga dai umus me bai wuce awa bi ba ya tashi daga nan ya tafi take ta ya je ya yi kenan mai an san dalilin ba wai saboda kuɗin bane a'a dan dalilin kar ya mance komi dai ne wanda ya karanta saboda kar a yau a ce na dindindin ya same ka kuma duk abin da ka karanta kenan ka manta da shi yanzu malam idi wasu irin hanyoyi ne kake bi wato domin samun bukata to biyan bukata ya danganta kala daban-daban biyan bukata biyan bukatu na harkar rayuwar duniya na dalilin yadda ka tallafa ma wani ka kama ma wani ko kuma kama kanka saboda ya kasance da biyan bukata mala idiyo wasu irin matsaloli ne kake fuskanta matsayinka na matashi mai nema wa kanshi wato incin rayuwa duk dan adam wanda zai shiga yanayi na rayuwa kamar aka ga na cigaba kenan na kaduwa da matsaloli haka irin na kamar na ci gaba kuwa matsalar da na fara fuskanta na fuskanci ta ne daga wurin abokani na kuwa tunda menene abokani muna tare da su hakanan suna gani kamar ba sa kasuwanci muna tare da su muna zamne baki na da su idan mun zo mun zauna kawai a zauna a hira a yi wasa da dariya mai amfani da kwan gani niki menene wannan farin kasuwanci na ne kuwa ina kasuwanci kenan dole ina ga me ke shiga me ke huta me samu na me ribai kenan sannan zan in kai matsayin da zan iya fara kashewa wannan kuma uwace wannan riba ce kenan iya allan salli a ce yau riba zan iya samun kamar ta jika ko ta jika biyu kenan zan iya kokarin na iya kashe dala hamsin abin da kai dala ɗari kenan me wannan abin ba zan ji ciwo ko guda a jiki ba to kaɗan kaɗan yau da gobe yana kai gare ga da kala shayi ma muna tara su ko shayi ban iya zamana an ɗora musu muna zamana ko haka nan wata rana ya kai gare ga na gani kenan ina dan samu har ina iya sayan shayi in ɗora mu zamana mu sha a yi wasa dariya a ƙare har ya kasance ma mai kamar abinci ma wanda da safe in na fito ya dai gidanmu ina tabbatar abokan na sun zo sun zama muna hira muna wasa dare an ce musu to da Allah ku yi hakuri zan ta gida in je in dawo ina bar wani in yi maza in je gida in yi abinci in karya haka da rana haka in su sweet har da dare haka ina tafiya kenan mai bunda da kuɗin da gari na gashi na ga kasuwanci ne nake ina tattalin da in gani ya zamanto wani abu sannan in kai gari gari dan na kashe mami kenan na san da ba komi bane ba matsala kuma ta biyu wadda na fuskanta akwai wani kanan abokina amana ce da ya tashi tafiya wanga soji kwa ce min wane ga kani na amana da Allah ka kula min da shi yani na rayuwa kan mushi yanda zaka iya ka na ce to da ra Allah zan kwatanta iya gwargwaro na iya bakin kokari na tunda ba mu iya ma mutum sai Allah da ka mushi kuma zai iya ba ka mushi ba daidai ba nan muna tare da shi yana zuwa muna zama yau da gobe da gobe na kare har ka ci abin da shahi rayuwar shi kwa na gani sai na ce to wata rana yana kwatanta mana kai gida zai koma kauye zai koma in ya tafi daga can kuma yana ta exot na ce mishi a'a ba haka za a yi ba abin da ya shayi ma mai da zan sayi ma wani abin turka kamar ko rago zan sayi an ɗari mi ina kira shi na ce mishi ne zo ka gani na ce mishi da ka taɓa yin kasuwa tim eh yayi ya hasu kasuwa abinci yana samun riba sare sare ce to ya aka kasance haka da kasuwancinka a suka taɓarɓare ya ce mu wallahi ba kun bane ba abin da ya shahi harakokin Abakai ne tunda a kullum idan su zo wannan ya ce mishi yunwa yake ji wannan ya ce mishi a da Allah dan bashi dala biyar dala goma ya sai sigari duka wannan abun yana kawo matsaloli daban-daban kwa na ɗauko shi maka da shi da fari na yi mai sayayya prax 2 na saya mishi komi da komai kar ka kaya restoration an kawai sai wata rana na dan diba na gani al'amuran inda ya jayo kwa. na ga babu ci gaba sai na kuta shi to wani kasan ya kamata mi na ce mishi a wannan harkokin kasuwancin a dan dakata da kuɗin nake amsa a kodo shi in yayi saboda dalilin yana kwana da mutane kwa kal a wani ya sace kuɗin ko na abu sai ya yi na zo na gani komi ya ja baya na ce ka ya ne ne na ce wallahi shi kanshi bai sani ba ya aiki shiga ya aiki huta mine ne na cin kuɗin bai sani ba na ce to shikenan na amsa na tahi na mai sayayya da na mai sayayya farfenar ma mai da ya kasance hala a kuɗi na hira na ɗauko na ƙara na samu shi abu dai na ɗan ciciya ta kaɗan kaɗan a raina na rasa yadda zan yi duk da amana ce abokina ba ni kenan me na samu wani abokina ne ma na kwatanta shi wani kaji kaji ga matsalolin da muke fuskanta amma me da yaro ba haka yake ba sai can daga baya suka kwatanta amma me wai hala akwai bashin da ya amsa ma a wurinsu bai ma biya su ba gaskiya ban ji daɗi ba abin nan ya mun ciwo Chers auditeurs, c'était la première partie de notre émission, l'entretien du jour. Avant de suivre la deuxième partie de notre entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec le titre Gargadu de l'artiste feu Habsou Garba. décembre 1958 à Hamsugarba était surnommée la diva de la chanson nigérienne et la boîte à musique du pays. Elle devient l'animatrice du groupe Choc qui font des animations à l'aéroport de Jolie Hamani. Euh, de Hamani de Niamey lors de l'arrivée des chefs d'État étrangers. En 1991, elle devient l'un des membres fondateurs du groupe Aneshwa. Hamza Garba sort son premier album solo en 2008, Gargadi, suivi de Tout est possible en 2009. En 2011, elle sort deux albums, Les Hommes de l'Histoire et Aurandolé, qui parlent des mariages forcés au Niger. Ses chansons parlent majoritairement d'amour, de religion et de problèmes sociaux. Hamsou Garba chante majoritairement en Hausa, en Zarma, en français. Elle fonde en 2016 la radio Turaki, surnommée euh, La Voix des artistes, une radio qui met en avant les artistes nigériens. Elle meurt euh, des suites d'une longue maladie le 5 décembre 2022 à l'hôpital de Niamey à l'âge de 63 ans. C'était là le titre Gargadi, chers auditeurs. À présent, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de notre entretien. Malgré son désir d'aider les autres à combattre le chômage, Idrissa Mamantawaye estime que les jeunes doivent abandonner certains comportements. Aussi, dans cette deuxième partie, il parle de ses ambitions et lance un appel aux jeunes de se lancer dans des occupations afin de mettre fin au chômage. Il est toujours au micro de Abou Saleh. akwai diyawa da jama'a ina tare da su wanda kamar yara ne kuma wani kwa manya ne sun ni kwa wani na zauwa muna gaisa da shi haka ana gaisuwa arziki da shi kwa idan na gani kamar yanayin shi ya kasance da yana da bukata a kai kuka ya kawo kukan shi wani ka ga yanayin da nake ciki ina ɗauka kuɗi in saya ma mutum moto saboda dalilin ya yi ruwa mu kanshi asiri kuma mu huda juna kumya a wani gamu matsalar da take kasancewa mutane ba sa da amana za ka yi ɗaukar kuɗi abinda da ya kusan jika ɗari hudu da hamsin ka saya mutum na'ura inji mutum bai wuce ya dauki kuɗi ya baka sati daya a misali a ce sati ka ce wani ka kawo shi ka takwas mi ka mashi bai wuce wata shida zaka sai da shi ba ka taimaka mashi kenan alal misali wata shida kenan umar su jika takwas takwas sati daya sati biyu sati uku sati hudu sati biyar wani in nan kawai shi kenan na biyar in ma da kyale kana riyu nan da riyu nan ya samu ya kawo maka to idan ya kawo maka a lokacin kuma sai gani gashi na inji tun yana sabo ya fara tagal tagal ya gani ya yi sati daya sati biyu sati uku bai kawo maka kuɗi ba kenan ya aika ciki an samu matsala kenan har wannan ka faɗi kwa shi ya sanya duka harkokin duniya da mai wani lokacin abu yana bani tsoro idan ka ga mutum kamar a rana a zamanin nan wani lokacin in ka ce ka kamo mutum ka shawo inuwa ba kowa ke fahimta ba to yanzu idi eh, wato mine ne kai domin magance wannan matsalolin waɗanda kake saya moto daga baya kuma su butule su ki kawa kuɗin motan su kashe motan daga baya mi kai domin magance matsalolin wannan abin ne ya wari na yanzu dai kwa waye kai ne da ji hankali kwa kenan abin da ya kasance idan ka nema kenan ka kawo mini kenan fara ina kenan kai ma can tana iwa a yau rana daya zaka iya aikin da zaka samu ya yi karhin kuɗin da zaka kawo mana a sati. to malam idi ta yaya kake ga ka ci gaba a rayuwarka. gaskiya abin da na sanya na ga ci gaba a rayuwata saboda Allah tunda a yanzu abin da shahi harka kuɗin lakwal ita ni ne zuba maka yana abin da shahi lakwal ita na yi na kare. kuma yanzu ya kasance na ma kaina armi ina da gida na na kaina kinan Allah sa irin kala shawarun da zaka ba matasa yan uwanka shawarwarin da zan ba yan uwana matasa abin kaina kowa ya tashi neman kanshi da namu gwara nawa me yasa da namu gwara nawa saboda idan ya kasance mutum ɗaya ne ke jiya ma daɗi kai ko mutum biyu gwara abin da ya kasance a ce kai kana neman naka na kanka ko biyu biyu ne kake samu Allah sa mata albarka saboda kasan da wata rana karuwa za ta yi aka ci ɗaya mawarin ilgu saboda abin da ya kasance shine mu tashi manema malam idi ne babban burinka na rayuwa gaskiya babban burina na rayuwata a yanzu abin da nake bukata gaskiya babu sama da wannan aiki da nake bukata na gwamnati ina bukata shi ruwa jallu ina nema a kudu shi ina fatan ubangiji Allah ya amince mana mu samu biyan bukatan tunda ina da ɗana ɗan wana shi ne ke kula mun da harkokin kasuwanci na duk da ko ina da kula prive idan na tafi kai ba ma école privée ta inda na fara service civic shi na jayo na shi to wani kashi kashi zo ga yanda ake ga harkokin kasuwa tun da shi ma yana gida zamanin na kusan shi ga harkar kasuwa zo ka gani kenan ka fahimta kenan yanayin da ake yi kwa to har ya kasance da idan zan tafi ikwal shi nake bara ma komi nawa ya kasance da haraka idan ya shahi kamar ranar ma kasuwa muna kasancewa tsakana da shi maraba kayan biyu in kuma can fara ina kote guda shi ma kuma kotan shi guda yana kasuwancin shi abin da ya yi isansu kamar haka harka isansu harka mai duk in yayi ya saida yana bani uwai kenan shi iri ba shi ma wannan ta isa ya more yan rayuwar shi kenan wannan kwa tunda abin da ya kasance haka nan shine me ina tare da shi ina fatan ya Allah ubangiji ya sanya wata rana in bude mishi wuri nashi na kan shi. in jayo kanan shi ya zo wuri na kuma shi ma mai kwanci ne da haka nan Allah ubangiji ya sanya haka ya fi alkhairi abin da shahi aikin gwamnati ina fatan da a ce a yau na samu aiki na gaskiya ba zai iya sanya ba kwata kwata a ce na fasa Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu et on va parler de santé. Au Niger, le paludisme constitue l'une des maladies qui font le plus de victimes malgré les efforts de l'État et de ses partenaires. Les enfants des moins de 5 ans sont les plus touchés. Pour prévenir cette maladie, les autorités sanitaires envisagent d'organiser une campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés dans les prochains jours. Soumana Harouna, médecin-chef du district sanitaire de Douti, fait le point des préparatifs de cette action du paludisme. Il est au micro de Hassumi Grouza. Docteur, bonjour. Bientôt l'installation de l'hivernage au Niger. C'est en cette période que le paludisme fait des victimes. Adouchi, comment vous préparez Aujourd'hui, on sait qu'au Niger, de manière générale, et Adouchi en particulier, le paludisme est une maladie les plus mortifère. Donc le Niger euh, avec ses autorités et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour mettre en place des stratégies en tout cas pour euh, prendre en charge dans le cadre de la prévention d'abord et aussi dans le cadre de la prise en charge euh, des malades. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les préparatifs dans le cadre de la prévention de cette maladie pour une campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et déjà, nos magasins sont déjà garnis de moustiquaires et bientôt, en tout cas sur le plan national, la campagne en tout cas sera lancée pour que chaque ménage puisse bénéficier de ces moustiquaires et se protéger contre euh, ce paludisme. En dehors euh, des campagnes de distribution de masse, il y a aussi ce qu'on appelle la CPS. La CPS, c'est la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier, qui consiste à distribuer aux enfants de 3 à 59 mois, des médicaments et pendant les périodes de haute transmission du paludisme, ces périodes, euh, il s'agit surtout du mois de juillet, août, septembre, octobre. Et dans certains districts, euh, ça part jusqu'à 5 mois. Donc euh, ces médicaments vont permettre en tout cas à l'enfant d'être protégé pendant cette période de retransmission du, paludisme. Et même si l'enfant fait le paludisme, en tout cas, il ne va pas faire le paludisme, la forme grave qui est et meurtrière, en tout cas pour ces enfants. Et il y a aussi, dans le cadre euh, de la prise en charge de ceux qui tombent malades, nous avons, à travers le PNLP, la mise en place gratuite des médicaments antipaludéens au niveau des formations sanitaires. Et c'est un ravitaillement direct hein, à travers ce qu'on appelle la LDK, la livraison au dernier kilomètre, où c'est du nouveau central, on amène directement au niveau des formations sanitaires donc pour faciliter eh, la dispensation des médicaments aux bénéficiaires. Et aussi, nous avons les sensibilisations que nous menons à chaque opportunité pour que chaque enfant qui tombe malade le plus tôt possible qu'on puisse en tout cas l'amener au niveau des formations sanitaires. On sait au niveau communautaire, les gens s'adonnent au traitement traditionnel d'abord. Quand l'enfant fait sa fièvre, on se rend chez le tablier, fait ce qu'on appelle l'automédication on achète du parastamol. Alors que c'est ce comportement d'ailleurs qui complique l'état de santé de l'enfant. Vous donnez du paracétamol, la fièvre se calme un ou deux jours, alors que la cause est là, la cause n'est pas traitée, et après il y aura des complications qui vont donner des paradis en forme grave et qui sont très meurtrières pour l'enfant. Docteur, quelles sont les maladies rencontrées à Douchi et Les maladies rencontrées fréquemment à Douchi, ça dépend de la période. Hein donc, euh, pendant la saison hivernale, euh, en tout cas, nous avons la période de haute transmission du paludisme où nous avons beaucoup de cas de paludisme. Mais sinon, je vais dire que le paludisme s'y vit tout au long de l'année, hein. en tout cas ici à Dougandouti. Et nous avons aussi en dehors du paludisme les cas de pneumonie que nous avons surtout pendant la période de fraîcheur. Et nous avons aussi les infections aussi digestives et qui sont aussi dominantes, surtout et dans les CSI qui sont vers la bande sud, qui sont frontaliers avec euh, euh, le Nigeria. En tout cas, ce sont ces maladies qui sont les plus fréquentes. Quand on prend l'adulte, les maladies, c'est surtout euh, l'hypertension artérielle et aussi le diabète qui est en train de gagner du terrain aussi. Avant, le diabète est considéré comme étant une maladie de blanc, mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Au niveau communautaire, vous allez trouver des gens qui font beaucoup le diabète aussi. Merci Hasumi Grouza pour ce reportage marquant une autre pause musicale. Cette fois-ci, écoutons une autre grande dame, Weibi Karma, avec son titre Alibio. Weibi Hassandi Weibi Karma est née en 1931 à Kouchkale, région de Tilabiri. Elle doit sa célébrité à sa chanson Jambao qui signifie jeune mariée qui a la particularité d'être un des rares chants nuptiaux dont le destinataire est un homme. Weibi Karma a évolué avec la Samaria. au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage région. Le Niger fait partie des pays possédant une faune assez variée, mais celle-ci est de plus en plus menacée par le changement climatique. Dans ce reportage, Saadatou Ibrahim explique comment ce phénomène impacte la faune, mais aussi les efforts que fournissent les autorités nigériennes pour y faire face. On l'écoute. Sauyin yanayi wanda masana suka tabbatar da aikace-aikacen ɗan adam na yau da kullum ne ke haifar da shi na zama babban barazana ga muhallinsa. lamarin da ke haifar da gusowar hamada da zaizayar ƙasa da kuma tsananin zafi na haifar da mutuwar tsirrai tare da kafewar ruwa wanda kuma haka a cewar kanan lawali sumaila shugaban ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maradi hakan na saka rayuwar namun dawa cikin wani garari. Kamar in wurin kamar gungun itatuwa ne ga yanayin yawan ruwan da suke so to in ba su samu irin yawan ruwan wurin yana iya mutuwa itatuwan su mutu eh, tunda shi namun daji daman babu duhun da za ya laɓe ya fake yana barin wuri. Yanzu haka dai wannan matsala ta sauyin yanayi ta yi sanadiyar bacewar namun dawa da dama a doron wannan ƙasa ta Nijar kamar yadda Profesa Ahmadu Umani Abdullahi malami a tsangayar ilimin tsirrai da kimiyyar muhalli ta jami'ar ɗan dukkan kulodo da ke nan maraɗi ya bayyana mana kaɗan daga cikin su. Muna da maina, muna da shimina, muna da dorina, muna da rakumin dawa akwai kuma angulu su ma yanzu sun hara ɓaciya da a kana yawo ko ina kana ganin su amma yanzu ganin su yayi wuya to sai dai kuma kasar ta Nijar na iya nata kokari wajen ƙaddamar da tsare-tsaren dawo da namun nata na dawa daga hanyar suka tunkara ta gushewa ta hanyar killace sauran da suka rage wanda kuma a cewar kanan lawali maila shugaban ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maradi tuni wannan dubara ta soma ba da sakamako mai kyau nan nijar ta taka a zo a gani bisa kan kariya ga namun daji waɗanda suke dabbacewa in ka ɗauki raƙumin daji da wanda suke kuren na yan kaɗan ne amma yau sun yi ɗari shida wanda suke can domin kaga daga cikin su ne aka ɗauko aka garbe shi kuma yanzu suna nan suna aihuwa suna ƙara yarwata a nan cikin garbi shi. lura da cewa magabata na buƙatar goyon bayan al'umma domin ci gaba da samun nasarar da ake fatan samu a kuma mahanga ta Profesa Ahmadu Umani Abdullahi na Jami'ar ɗan Danku Kulu ta Maraɗi. faɗakar da al'umma da kuma waye musu kai zai taimaka wajen samun irin goyon bayan da ake bukata daga gare su. Ya kamata nan a yi ƙoƙari a ƙara faɗakar da kan al'umma kuma inda namun dajin nan suke a samu abin da za a tallafa ma al'umma don su san da zaman namun dajin a garuruwansu alheri ne a gare su. Nasarar sake maido da namun dawan da illolin sauyin yanayi a fannoni daban-daban da ya zama sanadiyar ɓacewarsu ta dogara ne da irin ƙoƙarin magabata tare da ban hannun ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙwararru masana da kuma sauran al'umma musamman wajen raya dazuzzukan da ke zama muhalli da kuma abinci ga namun na dawa wanda a yau illolin na sauyin yanayi ya yi mummunan tasiri a kansu. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. chers auditeurs, c'est l'heure du sport et salut Adam, notre chroniqueur sportif du jour et avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Bonjour Adam. Alors Adam, nous débutons cette page sport avec la clôture du championnat féminin de football à Tawa, n'est-ce pas Et bien sûr, démarré le 20 avril dernier, le tournoi de la femme organisé par l'Association régionale de football de Tawa s'est conclu le samedi 1er juin 2024 avec... Euh, la victoire des Hirondelles du CEG de Coloma, j'espère que j'arrive à bien prononcer, 2 buts à 0 sur les gazelles du CEG Fonkoy. Alors, plusieurs prix et équipements sportifs ont été offerts aux différentes lauréates qui ont accédé au podium. Mais il faut noter que cette compétition qui a réuni des équipes mixtes des moins de 16 et 19 ans entre dans la stratégie globale de la Fédération nigérienne de football pour la promotion et le développement du football féminin au Niger. Adam, parlons à présent de la Super League de football. Eh bien, pour le compte de la 29e journée de Super League, nous avons quelques résultats et classements. La bonne opération au cours de cette 29e journée a été réalisée par l'Espoir FC de Zander qui a battu l'un des leaders du championnat, Ice Fan, un but à zéro. Grâce à cette victoire, les Rouges et Blancs du Damagaram se donnent de l'air et sortent enfin de la zone de relégation. Pour le classement, l'AS Garde nationale reste en tête avec 57 points avec un match en retard. L'AS Fan deuxième, 57 points également avec euh, la Nigelec qui est troisième avec 50 points. En bas de tableau, le Liberté Football Club de Niamey, le Tagour de Dosso et la Kokana FC d'Arlit luttent pour le maintien. Pour finir, Adam, parlons du Ménat national, l'équipe de football qui se prépare pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, le Ménat national du Niger se journe depuis quelques jours dans la capitale congolaise dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Zaki Badou prépare sereinement le rendez-vous du jeudi 6 juin à 17h heure de Niamey avec un groupe plus ou moins rajeuni avec l'arrivée des nouvelles têtes en sélection classé troisième derrière le Maroc et la Zambie. Et devant la Tanzanie et le Congo, au bout de deux journées écoulées, le MENA tentera de passer devant en disposant des Diables Rouges du Congo. Chers auditeurs, c'est tout pour ce deuxième numéro de la semaine. À demain avec un autre numéro en compagnie de Hassoumi Grouza. Merci Adam. Merci Adam, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalongo et c'est l'heure du portrait. Oui, pur produit de plusieurs écoles professionnelles du Niger, Abani Mohamed a obtenu ses diplômes en mécanique qui lui ont permis, après des années de, perfectionnement, d'ouvrir son atelier de fabrication de pièces d'engins uniques dans la région d'Agadez. Il aide aussi l'État en mettant à sa disposition son atelier aux étudiants de l'école des mines de Laïr et Maïr. Son portrait avec notre correspondant à Agadez, Anissé Karim dans son atelier où il passe la majeure partie de son temps entouré de ses collaborateurs. Abaï Mohamed, la quarantaine, plein de vie, à l'aise sur sa machine, s'apprête à récupérer une pièce d'un camionneur. Il nous parle de son parcours. Les activités dont on est en train de faire maintenant, c'est la fabrication des pièces mécaniques. C'est ça la mécanique générale. Les jeunes de la ville, c'est ça qu'ils appellent le tournage. On fabrique des pièces mécaniques, les axes, les bagues, les écrous. On fait le filetage, le taraudage on fabrique du euh, joint, pour les camions. On récupère les pièces usées. S'ils sont usés, on recharge par la soudure et on chariote sur la machine pour les récupérer. À part les différentes commandes qu'elle reçoit de la part des particuliers, des étudiants de l'université dans le domaine de la mécanique générale passent leur formation pratique dans son atelier. Il est fier de contribuer au développement de sa région. Vraiment, j'ai réalisé beaucoup de choses dans ce domaine et je suis en train d'aider aussi les jeunes. À un certain moment, les étudiants de l'université d'Agadez, comme qu'ils n'ont pas ce genre de machine, et ça fait partie de leur programme. Le troisième année, donc ils venaient chez moi faire faire leurs 20 heures de modules pour d'usinage. Quelque sorte, je contribue aussi pour le développement de la région. Dans son atelier d'usinage, il travaille avec six jeunes et comme pour tout jeune entrepreneur, les difficultés ne manquent pas pour Abahi. J'ai quatre assistants et deux stagiaires. Pour les inconvénients, ici c'est qu'on a un problème d'électricité au niveau d'Agadez. Autre activité là, toujours il nous faut de l'électricité. Parfois on a des activités à faire manque d'électricité, il faut qu'on attend jusqu'à ce qu'il ramène l'électricité. Et à part ça, il y a le manque de matière d'œuvre. Donc il faut qu'on commande, soit au Nigeria ou au Côte d'Ivoire. Agali Mohamed est transporteur de marchandises des maraîchers. Depuis qu'il a découvert l'atelier d'Abaï Mohamed, son camion est rarement tombé en panne. Il témoigne. Moi, je suis un conducteur de gros véhicules. Avant quand mon véhicule ait un problème d'axe, il me faudra aller au Nigeria ou ailleurs pour trouver satisfaction. Mais maintenant, je trouve la solution à Gadez. Avec quelqu'un qui, quel que soit le problème, il peut me trouver la solution sans que je me déplace. Vraiment, il est bien et fait bien son travail. Et cela nous soulage. Son ambition aujourd'hui est d'abord de pouvoir commander d'autres machines plus performantes et ouvrir d'autres ateliers dans toutes les régions du pays. Merci Anissé Karim depuis Agadez pour ce portrait inspirant. Cette fois-ci de la bonne musique parfumée à Kanuri. À présent, une composition de la grande cantatrice du manga, Maria Makalu et Nikon, qui nous a quittés il y a plus de 20 ans pour bien boucler notre playlist aujourd'hui. Oh, fait Mariam Kalou. Le loti du jour nous parle de quoi la rubrique affaires d'aujourd'hui parle de l'incivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. C'est de cela que les femmes du studio Kalangu traitent dans le loti Fanta Shamsou et Samiro Rafi. Hey ke bi ni ke faruwa a nan amifa ina ganin jerin gwano ne ake zo mu laɓe nan haka in ba haka nan ba za mu kwashi duwatsuna a huskari <laughs> wallahi allah zo da yake gani ba zan can dariya ba ne to wai tsoron mi ma kike yi dan kwanta da hankalinki mana in kwanta da hankalina kina nan ga ganin suna ta hashe duk abin da a bisa kan hanyar su to in a nan fa wata adda ta kubce ta faɗo mana <laughs> adda kuma ke ma dai akwai ki da ƙari amma ke dama matsoraciya ce na gwammaci a ce tsoro gare ni da irin wannan abun ya same ni kuma baki nan ga ganin suna ta lalata komi da komai saman hanyar su wannan rashin kishin ƙasa ne kawai kaka ni kin san ba gane wannan dogon turancin naki nake ba baki nan gani abin da suke nan gai ki duba ki gani suna ga fashe fitilunan zirga-zirga da alunan tallace-tallace da alunan zirga-zirga kuma suna nan ga lalata kwalta tare da tayoyin da suke nan suna ta konewa kuma suna nan ga lalata alamomin tarihi Ah, ne kike nihi da rishin kishin kasar. Eh mana, kin ga an ce kishin ƙasa an ce girma mata da kuma nuna kishi ga dukkanin abin da zai iya faruwa ga da'irar da yake ciki, inda yake nan ga rayuwa. Girmama iko da doka banna a cikin waɗannan filaye da na kowa da kowa ne ba abu bane da zai aiwa mu na ɗa mai ido mu duka To da me yasa ma suke haka? Na san dai saboda rashin kishin ƙasa ne kamar yadda na gayi, da kuma rashin sanin abin da ya kamata da abin da ya fi kyau ma ƙasarsa, ko kuma in ce kawai rashin bin ƙa'idodin rayuwa ne da zaman tare da son rai, kuma ba ma shi kenan ba. Kishin ƙasa shine kuma a rinka tuna nauyin da ya rataya a wuyanmu a matsayin mu na 'yan ƙasa tare da kula da duk abin da wuri ne da jama'a ke amfani da shi da kula da fitilun zirga-zirga bakin ga akwai wasu 'yan tudu ba da ake ginawa a bisa kan kwalta saboda a hana motoci ko ko a sa motoci su rage gudu ka sis kike cewa to shi ma bai kamata a ringa yin shi ba cikin anguwanni inda mutane jama'a suke amfani kuma kin gani wani yadda dauda cikin gotoci duka ya kamata a daina hamma ke bar man tsaya da nan dan abin ya fara bani takaici to amma ai ya ci a ce an gurfanar da masu irin wannan aiki ko babu wata doka ne a kai. to ni dai na san da cewa wanda hukunta laifuka na shekarar 2003 na kasar niger. A cikin ayarsa ta ɗari uku da da tamanin tara ya ce duk wanda a cikin son ransa ya ɓata ko ya juye ko dai ya lalata alamomin tarihin nan ko gada ko dam ko hanyoyin da jama'a ke amfani da su ko gini da ba nashi ba da duk sauran wasu abubuwa dai za a iya kai shi kurkuku tsawon shekaru biyu zuwa goma da tarar kuɗi jika goma zuwa jika ɗari na sefa nifa ba lauya ba ce ka in shiga cikin wani dogon surutu wai wai wai wai wai wannan duka amma suke ci gaba da yi to ko dai basu sani ba ne to inda suka bari aka damke su za su gani mu dai yanzu bar mu ta kama mu bar wurin nan to bi ba ke baki tsaya ki dan kwatanta musu kamar yadda kika kwatanta mini wacce ta ni amma wallahi baki so na da karuwa fa wa zai saurare na diba yanda suke nan ga wata hauka kamar waɗanda adda iskoki dibo zo mu lallaba mu huce ta nan ga mu tai zai fi aifa mu da ɗan mai da dama na ce ke matsoraciya ce bai komi ta dai mu tai <laughs> auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Asomana China pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot environnement. Bonjour China. Euh, bonjour Bonjour euh, Rabi, bonjour euh, Salamatou. Effectivement, donc c'est l'heure du mot du jour qui est environnement aujourd'hui. Donc moi je m'en vais vous l'expliquer en Hausa. Donc je m'en vais à Moubarkamada. wannan da cikin wannan shiri da ke zama ku da karin haske akan ma'anar kalmomi a yau dai shirin wato kalmar ita ce muhalli muhalli kuma ita ce ake ce ma wato environnement da faransanci to ranar biyar daga watan juan na kowace shekara rana ce da aka ware domin muhalli shine ake kira environnement da faransancin to shi dai muhalli kuma yanayi ne wanda duk wata halitta ke rayuwa a cikinsa a doron ƙasa ana kuma iya cewa halittu ne daban-daban kamar ɗan adam dabbobi itatuwa koguna da dai sauransu da ke cikin duniya muhalli shine ke ba da muhimman abubuwa da ke sawa halittu su rayu kamar iska da ruwa da kuma abinci to saboda haka ake buƙatar kullum muhalli ya kasance mai kyau domin rayuwar halittu ta dogara ne a kansa duk wasu ayyuka da mutum zai yi ko duk wani daɗi da zai shi ko kuma wani ci gaba da zai samu a kan muhalli ne kenan ya zama wajibi dan adam ya kula da muhalli domin ya san muhimmancinsa sai dai tun wasu 'yan shekaru aka gano cewa muhalli ya fara sauyawa abubuwa da aka sani a da suna taɓa cewa ba a samu amfanin gona mai wadatar da al'ummomi wato kamar abinci haka akwai fari akwai karuwar yanayin zahi kamar a bana mun zahi ya karu sosai a ah, cikin rayuwa misali kuma a niger lokacin saukar ruwan damana ya sauya sannan kuma ruwa suna saurin tsayawa wani lokaci ma amfanin gona bai na ba to dukan waɗannan sauye-sauyen kuma masana sun bayyana cewa ɗan adam na taka rawa wajen faruwarsu saboda ɗan adam na gabatar da ayyuka masu gurɓata muhalli ko taɓarɓarar da muhalli kamar kashe itatuwa da ƙone da dazuzzuka da dai sauran ayyuka daban-daban to ganin wannan matsala ne da ke ta tunkarowa kasashen duniya baki daya suka mai da hankali wajen samun hanyoyi da matakan ceto muhalli kamar irin su ne ake gudanarwa a ran biyar ga watan juan na kowace shekara kun shi takaitaccen bayani a game da ma'anar kalmar amirma wato muhalli da hausa des chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde ou en Tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. On fait une petite pause et on se reprend juste après. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana Maman Sabiu shirye-shiryen kalangu hakika yana kayatar da mu matuka sosai kuma mukan ji daɗin shirye-shiryen su musamman da maraice muke kafa fadar mu don kawai mu ba da lokacin mu saurari shirye-shiryen da suke musamman kan yi da yaruka daban-daban in baka jin wannan kana jin wannan wannan yana kayatar da mu sosai sosai shi ma gaskiya akwai faɗakarwa sosai akwai faɗakarwa wani bin za ji akwai nishadantarwa da dai makamantansu gaskiya shawara dai da zan bada duk da ayyukan su gaskiya gani ban ga wani na kasu ba a ciki sai dai dan abin da zan kara shi ne in suna da dama amma ba ma jin yaren tubanci da na budumanci wanda a nan muna da su sosai kuma suna da bukatar shirye-shiryen su sosai in dai akwai dama ya kamata su ma a yi kokari a sa su to ina gaida babban hannun dama na mai shago da kuma sauran 'yan fadan mu da kuma ma'aikatan kalangu gaba da. Malam Hamisu Ayuba insha Allah daga nan makaranta ta Nurul Huda a birnin Kwani. Studio Kalangu insha Allah ta'ala ni ma'abucin sauraren su ne a ko ina nan ga makaranta wani bi in je daji ma ina aiki da bakin karhe biyar muna neman ku radiyo niyya insha Allah muna sauraren su har zuwa karhe bakwai muna je shirye-shirye da suke yi da waye kai ga al'umma Ah, daga harsuna daban-daban na ƙasar nan muna murna da farin ciki muna ra'ayin wannan gidan radiyo muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da su akan alkhairi kuma a ɗan ƙara shigowa ko da ke suna kokari ko ina muna ji wajen gidan radio kusan hamsin ko da nawa ne ko wanda suke sawa kin muna fatan ire-iren in so ga cikin gari mu ma bisa ga a addini a zangaye su halartuwa cikin makarantun ne ana ganin irin ayyukan da ake yi don a ƙara ƙarfa wannan insha Allah ko muna musu kyakkyawar addu'a ta alkhairi akwai kishin ƙasa gare su akwai gayin gaskiya gare su akwai ba daban-daban da suke yi waɗanda sun shahu al'umma su gyara halayensu da ɗabi'unsu da addinin su da kuma su ƙara kyautata halayensu a matsayinsu na musulmai wannan wannan abu yana faranta mana da rai insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi ti Abdulmajid Zakari ballar Zamborno Kartiagu ai ga ngani studio Kalangu ai ga ngani Niger Sir Kalangu ba da ballici ne zarmici na Hausanni France China igno agi izami labaran kan Canvas igida rafin irfurta je wani mo bisa kulli gidan kan morai ga ngana cine a ci isufu ai gan foi gan bani ha ngumo ai gan foi gan bani Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalango. Au micro, c'était Rabia Maikano et moi-même Salawat Kadir. À la technique, nous avons euh, Moustapha Yuba qui nous a accompagnés sur cette émission, Adam Adawaki également à l'édition. Excellente journée à tous.